le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou de 15 minutes à la pendule du studio Kalangou, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour des commentaires et analyses relatifs aux faits ayant dominé l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse. Dans le forum de ce soir, il sera largement question de la marche du 29 octobre dernier qui au départ devait être un simple meeting à la place Toumo. Les échauffourées engendrées par cette marche ont occasionné d'énormes dégâts dans la ville de Niamey. À suivre prise de position du ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed qui voit une main du modèle Lomana dans la marche du 29 octobre et la réaction du, du parti à travers une déclaration. Toujours dans ce même chapitre, nous reviendrons aussi sur l'arrestation d'Abbas Abdelaziz, président de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie Actis et deux autres de ses camarades. Cette association a même écopé d'une interdiction définitive d'exercer sur l'ensemble du territoire national. Et puis, nous allons discuter de la démission d'Omar Hamidou Chana de son poste de ministre des Transports annoncé sur le réseau social Twitter. Cette annonce suivi d'un remaniement ministériel qui a vu l'arrivée de celui qui le remplace, en l'occurrence le président de la Haute Cour de justice, Karidjo Mamadou. Ce remaniement, le verra, a laissé intact le pléthore de ministres 43, tant décriés par des acteurs sociopolitiques. Avec nous dans le studio, nos confrères euh, Elal Suleiman Mamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir et Roufaï Dandoua, journaliste indépendant avec nous également. Bonsoir Roufaï. Bonsoir. Et nous attendons de moment à l'autre Jafar Maman, directeur de publication du journal, euh, journal euh, L'Indépendant Plus. Présentation de ce forum à Lassane Kouzi Mahmoud. Bienvenue à tous. Euh, dans le forum de la presse de ce vendredi 3 novembre 2017. Le dimanche 29 octobre passé, des centaines de personnes ont répondu présent à l'appel du président d'Actis pour protester contre le projet de loi des finances 2018. Il a été initialement prévu une marche qui va aboutir à la place de la concertation. Cependant, les autorités de la ville de Niamey ont, dans une décision, proposé notre itinéraire. Finalement, les organisateurs de la, organisateurs de la manifestation ont opté pour un meeting à la place Toumont Cependant, à leur grande surprise, la foule, une fois réunie, a exigé une descente sur l'Assemblée nationale. Cette marche improvisée était à la base des, échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants, ainsi que de nombreux actes de vandalisme dans la ville de Niamey. À propos, nous allons écouter ensemble Abbas Abdulaziz, organisateur principal du meeting du 29 octobre, juste après les événements. Le meeting euh, n'a pas eu lieu parce que ça a été interrompu par euh, la foule, parce que la foule avait euh, une autre option, c'était de, descendre vers la place de la consultation malgré que nous nous sommes opposés, mais malheureusement on n'a pu rien faire. C'est ce qui explique les pneus brûlés dans quelques ronds-points de Niamey Oui, parce que la foule ne voulait même pas qu'on s'adresse à elle. Le mot d'ordre des organisateurs, c'est de se retrouver à la place tout monde afin de tenir un meeting. Mais malheureusement, les gens, ils ont même pris un de nos camarades en otage, ils l'ont l'ont frappé, ils l'ont pillé, ils l'ont tout fait. Vous voyez, ça, ce n'est vraiment pas un geste euh, responsable parce que euh, quelqu'un qui vous aide à régler vos problèmes, vous le prenez en otage, euh, vous le tabassez, vous le dépouillez, vous voyez que c'est irresponsable. Quelle sera la suite Nous sommes là, on attend de voir. Actuellement, même les gens sont éparpillés un peu dans la ville. Nous sommes des démocrates, nous sommes des défenseurs des droits humains. Si nous voulons vraiment avoir gain de cause, nous sommes obligés de respecter certaines décisions. Abbas Abdelaziz, que vous venez d'écouter, président, président d'Actis, euh, organisateur principal du meeting du 29 octobre dernier. Alors, je m'en vais commencer avec vous, Rufai Dandoua. Comment vous expliquez euh, l'entêtement des manifestants à vouloir marcher coûte que coûte sur l'Assemblée, euh, malgré l'opposition de ces organisations On a entendu Abbas. Hum, merci. Je pense qu'il y a toujours dans ce genre de situation des brebis galeuses ou des gens qui qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pour ça que quand vous voyez en Europe, lorsqu'il y a des manifestations, les forces de l'ordre, on les fait sortir pas pour euh, jeter des gaz lacrymogènes, pas pour frapper sur les manifestants, mais pour quadriller euh, les manifestants. Or, on se rend compte que ici, lorsque les forces de défense et de sécurité sortent, ce n'est pas pour quadriller les manifestations. Et elles sont là aux aguets pour intervenir lorsqu'il y a quelque chose. C'est un sens que je pense que euh, autant on peut condamner eh, les agissements, pas des organisateurs, eh, mais de quelques bleus galeuses, autant on condamne aussi les agissements chaque fois des forces de défense et de sécurité, puisque moi je suis eh, contre le fait qu'on interdise des marches. <clears throat> L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Où, quel endroit est plus approprié pour que les, les, citoyens eh, partent pour montrer eh, leur mécontentement dans une vraie démocratie. Mais lorsqu'on empêche aux gens de, de manifester, et eh, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. <laughs> Quand le régime actuel est à l'opposition, c'est arrivé. Quand ils étaient aujourd'hui, ça, ça, ça, leur arrive, c'est parce qu'on empêche aux gens de manifester. Imaginez qu'on leur dise de, de partir, de faire leur marche de la place Tomo à la place de la concertation en mettant en garde des garde-fous pour que toute cette manifestation soit quadrillée comme ça se voit ailleurs dans le pays. C'est vrai, et on, ne peut pas tout maîtriser, mais je pense qu'on peut éviter certaines choses. Mais lorsqu'on empêche aux gens de manifester, alors qu'ils ont soif de dire ce qu'ils pensent, ils pensent qu'ils sont victimes d'une injustice à tort ou à raison, je pense que c'est normal, comme disent les Hausa, et Bewa Abaka Kashi Anakai kuka. Donc, pour moi, le mieux aurait été de les laisser marcher tout en prenant des dispositions et aller devant l'Assemblée nationale, là où les gens ont l'habitude de, faire leurs manifestations, tenir leurs meetings. Ça ne va rien changer eh, à, ce qu'on a vu. Là, on a, voilà, on a évité quelque chose et ça s'est produit. Alors, à quoi ça aura servi Bien. Euh, je, je, voudrais euh, faire remarquer à nos auditeurs que notre troisième invité, Jafar Maman, euh, vient de nous rejoindre. Bonsoir, Jafar. Bonsoir. Donc, euh, on a écouté ensemble euh, Abbas Abdelaziz, qui est l'organisateur principal de, de ces meetings, qui a tourné à, à les mettre aux échauffourées. Et euh, comment, à votre niveau, vous expliquez ce qui s'est passé cette foule qui ne voulait plus des meetings, mais plutôt marcher sur l'Assemblée, et on a vu ce qui s'en est suivi. Ne sont-ils pas au courant des derniers changements, notamment l'itinéraire et la marche euh, l'itinéraire qui a été euh, proposé la marche euh, transformée en meeting Je pense qu'il y a une question importante à, poser. C'est la question de la, de, du comportement républicain qu'il faut poser sur la table, que ce soit du côté de, des citoyens, que ce soit de, du côté des dirigeants. Lorsque la question a, été bien cernée, bien comprise, je pense que peut-être on, peut éviter ce, qui s'est passé le dimanche euh, passé. Euh, d'abord avec euh, la non-maîtrise par les organisateurs de, de, la manifestation, puisque en écoutant Abbas tout à l'heure, on sent qu'il n'y a pas une certaine maîtrise. C'est comme si il y a ceux qui ont voulu marcher et il y a d'autres qui se sont invités et qui ne sait même pas comment ils sont invités et qui ont pratiquement récupéré la marche. Ça veut dire que lorsque vous vous engagez à organiser une, euh, manifestation, il faut s'assurer de la coordination. Ça, c'est le premier facteur. Ça, c'est au niveau de, des acteurs. Maintenant, la deuxième question, c'est au niveau de, des autorités. C'est que euh, nous avons une culture de confrontation Dès qu'on voit la présence de, de, de forces de maintien de l'ordre, on voit déjà un ennemi, on voit déjà quelqu'un qui est venu nous déranger. ça revient toujours à, cette, euh, à ce comportement citoyen, à ce comportement républicain dont je, dont je parle. Si ça a été bien encadré, c'est que euh, la marche aurait dû avoir à côté des manifestants des forces de, maintien de l'ordre, pour, comme Rufai a dit, pour encadrer la marche. On le voit partout. il ne s'agissait plus de marche, mais plutôt de meeting, ce que ne voulait pas euh, les, ce qui était présent. C'est de cela que je parle quand je parle du comportement républicain. Lorsqu'il y a un délai bien précis pour notifier à quelqu'un qui organise une manifestation, à, partir de quand on peut passer à un changement de cap. Lorsqu'ils ont communiqué, lorsqu'on est à peut-être 24 heures de la marche, si réellement les responsables euh, municipaux euh, de la ville de Niamey, autant pour moi, ont euh, notifié à temps, Peut-être que les organisateurs attendent les, les changements, s'il y a eu changement. Peut-être que les organisateurs auront le temps de communiquer et d'informer la population. Sur Mais toujours sur le changement de l'itinéraire. Mais il y a toujours cette question, j'ai dit, euh, de la capacité à organiser une manifestation. Parce que dans le contexte de, de, débat autour de la loi des finances, il est vraiment euh, très sérieux pour une organisation et c'est même trop osé pour une organisation d'engager une manifestation, puisqu'on sent la grogne, on sent euh, euh, euh, le, mécontentement. entre deux, trois, trois citoyens. Lorsque vous vous engagez à organiser ce genre de manifestation, il faut vous, il faut vous assumer. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est aussi la coordination, la part de la responsabilité de, des autorités de la ville de Niamey, notamment en on sait que toute manifestation, la plus euh, démocratique soit-elle, la plus silencieuse soit-elle, peut déborder. Quelles sont les dispositions qui ont été prises C'est ces deux aspects qu'il faut voir. Il y a les organisateurs et il y a la part des autorités à voir. Là, Suleiman Mamadou du journal Niger Inter, quel est votre point de vue par rapport à ces débordements euh, ben, euh, je euh, Je constate que, euh, quoi qu'on dise, euh, certains, cette manifestation a été autorisée. Ça, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Ça a été autorisé. Et même il y a eu un échange lorsque le le délégué avait donc considéré avait proposé donc un itinéraire. Maintenant, Actis avait même réagi qu'ils vont maintenir leur leur tellement on a eu en tout cas accès à leurs lettres, correspondance Mais ils sont avisés par la société pour dire qu'ils vont faire un simple meeting. Donc de ce point de vue-là, franchement, on s'attendait à ce que bon, c'est un simple meeting. En principe, il n'y a pas de, de couillac, il n'y a pas de, de, de problème. Mais est-ce que entre temps, le, le, le, temps, est-ce que entre temps, euh, la communication a pu passer euh, Non, non, non euh, ils, ont, communiqué à travers les télévisions la veille. J'ai suivi Abdelaziz et il a été clairement nous sommes des républicains, voilà, on va pas, on va vraiment faire un meeting. Ça, il n'y a aucun doute. Euh, sur les télévisions, j'ai suivi, j'ai suivi ça en tout cas personnellement. Donc, euh, maintenant, comme euh, la, la, moi, j'ai l'habitude de voir, par exemple, aux États-Unis, des manifs où, souvent, la police est plus nombreuse que les manifestants. Parce que là-bas, en réalité, ce n'est pas le nombre. Trois, quatre personnes peuvent manifester, ils peuvent insulter qui ils veulent, mais ils sont encadrés effectivement, c'est un débat vraiment, véritablement. Il ne faudrait pas que justement les gens pensent que quand la police est là, c'est pour les réprimer. Non, ce n'est pas le cas. Mais je dois dire que franchement, en tout cas de mon point de vue, cette euh, euh, en tout cas, situation a porté un coup dur à la lutte euh, de la société civile. Hmm. Parce que simplement, c'est un très mauvais exemple. pour un premier coup, il fallait partout tous moins éviter en tout cas qu'il y ait violence. Mmh, Et par rapport vraiment à ce que euh, Orfa disait, moi je pense que euh, dans un État, véritablement, euh, oh, il faut quand même se dire que l'État a des appareils. Il y a une police qui est censée véritablement aussi, en plus des trucs physiques, donc l'encadrement physique, mais aussi en termes de renseignement, savoir qu'est-ce qui pourrait se, passer. Véritablement, on le voit effectivement, nous que euh, qu'il y ait peut-être, en tout cas, une certaine prévision de la chose, ça allait, euh, en tout cas, les dégâts allaient être. Déjà, en tout cas, les dégâts sont vraiment inacceptables. Parce qu'il faut le dire, nous sommes, en tout cas, quoi, euh, moi je le dis, nous sommes en guerre. Qu'on nous dise qu'on a détruit 10 véhicules de la police, Effectivement, le bilan, était, très lourd. On, parle de 14 véhicules endommagés, dont 10 pour la police et 4 euh, appartenant euh, à, des, euh, particuliers. Donc, vous voyez, c'est inacceptable. Et on sent justement les propos d'Abdelaziz, effectivement, il fait profil bas parce que c'est gênant. C'est gênant aujourd'hui. si véritablement on doit appliquer la loi, mais ils, sont vraiment foutus. Parce que simplement, d'un point de vue de la loi, c'est eux qui sont responsables. C'est parce que c'est eux qui ont appelé les gens à venir le faire. Les casseurs, ils peuvent effectivement euh, être condamnés pour effectivement avoir fait casser, mais les vrais responsables, c'est d'abord actifs, avant tout. Bien. Rufai Dandoua, quel commentaire sur le bilan, euh, la vie qui est quand même lourde, euh, lourd, des biens de l'État, des biens de particuliers détruits euh, de blessés. En réalité, le bilan, euh, ce n'est pas tant qu'il soit lourd qui, pose problème. Même si c'est un seul véhicule, même si c'est une seule moto qui a été cassée pour un euh, citoyen civil ou pour l'État, ce n'est pas bien. C'est comme l'a dit El Haj, je pense qu'au-delà de, la présence des policiers qui, sont là pour ne pas réprimander, mais pour mettre de l'ordre y a des, on, fait infiltrer des, des, policiers au sein des manifestations, ça se fait même au Niger, dans tous les pays. Pour quel motif pour... Non, pour qu'ils pour puissent détecter les, les, les, les, les indélicats, comme on dit. Ça, ça se fait dans tous les pays. Au Niger aussi, on l'a fait. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait Parce que euh, se murmurait déjà ou on présentait. on, peut, on, pouvait eh, anticiper cela que eh, certains peuvent aller au-delà des simples manifestations ou au-delà de la, de la simple marche pour venir montrer son mécontentement. Lorsque les manifestants prennent en otage, comme l'a dit Aziz, même les acteurs de la société civile, on fait allusion sûrement à, à Arzika qui aurait été molesté. Lorsque ces gens-là prennent leur supposé patron, parce que c'est les présidents, les organisateurs. Qui les ont Ça veut dire qu'ils peuvent eh, prendre d'autres personnes en otage, ils peuvent molester d'autres personnes. C'est pour ça que, eh, comme l'a dit eh, Jafar, euh, Je, pense que au-delà de, de du comportement de tout un chacun, et cette question revient toujours euh, de nos mentalités et dans tout ce qu'on fait au Niger. Est-ce qu'on a cette mentalité républicaine Est-ce qu'on a cette mentalité d'aller de l'avant, de développer notre pays Puisque la manifestation ne veut pas dire casser. On manifeste pour montrer qu'on n'est pas d'accord ou bien qu'on est d'accord par rapport à ça ou à ci. Mhm. Maintenant, on le dit à qui de droit. est-ce que quand tu sors, c'est pour moi? quand tu quand tu casses, même si tu es à l'opposition, demain tu vas venir au pouvoir. Tu casses, donc il faut réparer. On répare avec quel argent Avec l'argent du contribuable. L'argent du contribuable, c'est qui C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Donc, tout le monde est perdant. Il faut qu'on sache et ce qu'on veut quand on fait quelque chose. Bien. On sait que pour le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, les auteurs de ces dégâts sont ni moins ni plus que les partisans du modèle Lumana. Euh, il l'a fait savoir euh, dans une intervention euh, qu'il a fait, donc juste au lendemain de, de, ces événements. Nous écoutons Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur. Il y a les amis de Alitera qui ont appelé d'un peu partout au moment des événements et qui encourageaient leurs militants de l'Umana à continuer ce combat et euh, à ne pas battre en retraite. Il y a un certain Hassou Minoma qui se réclame des guerriers 2016 de l'Umana de Bruxelles. Et vous avez des tas d'acteurs comme ça qui ne se cachent pas qu'ils sont de l'Umana et qui demandaient aux militants de l'Umana de résister, d'aller, d'entrer dans l'Assemblée nationale et de brûler l'Assemblée nationale. Et ceux de la société civile qui lui ont toujours servi de cheval de Troie, eux ne se sont jamais cachés aussi de leurs intentions insurrectionnelles de toute façon. Il y a un agenda du parti Lumana qui instrumentalise la loi des finances et en cela veut mettre à contribution ce qu'il appelle la société civile d'une part, mais surtout les islamistes ou les musulmans ou les marabouts, je ne sais comment, il faut les appeler à partir de l'amalgame que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc voilà, Bazo Mohamed, ministre de l'Intérieur. Euh, le Modène Faloumana a réagi aux propos du ministre justement à travers une déclaration rendue publique le mardi 31 octobre dernier. suivant un extrait de cette déclaration lue par Omar Noma, président par intérim du Modène Faloumana. Cette énième tentative du PND a semé la confusion s'il y a lieu de déplorer les débordements qui ont émaillé les événements de la marche citoyenne du 29 octobre, il y a tout aussi lieu d'en dénoncer les abus et la précipitation avec laquelle le ministre de l'Intérieur tente de pointer un doigt accusateur en direction du modèle Falmanafrique. Bien, vous avez écouté donc euh, avec nous euh, c'est le ministre, ensuite euh, Noma, Omar Noma, président par intérim du Modène Falumana, réagissant aux propos du ministre. Jafar Maman, quelle appréciation faites-vous de ces de ces sorties, moi je vois, je pense qu'il faut, il faut, lorsque nous nous regardons ce qui s'est passé et les interventions des uns et des autres, il faut les apprécier à trois échelons. Le premier échelon, c'est qu'il y a une manifestation et il y a ceux qui ont voulu autrement que même les organisateurs et qui sont à l'origine de, des actes pas du tout euh, catholiques, comme on dit. Et ça, la loi doit suivre. Ça, c'est une réalité. On est dans un pays organisé. Il faut que celui qui, qui en la loi le paye. Maintenant, il faut aussi, en sanctionnant, d'essayer de, voir, parce que celui qui sanctionne, qui semble être une autorité, qui semble être un gouvernement, qui semble être un État, et aussi quelque part doit chercher sa responsabilité. Et c'est en fonction de sa responsabilité dans ce qui s'est passé qu'il doit sanctionner. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le ministre de l'Intérieur a donné des cas. Ça, c'est des cas qu'il a donné qui ont un lien, un lien avec un militantisme. Peut-être que euh, le fait de généraliser pose problème, mais il a des données, des cas que peut-être il a des arguments qui lui permettent de les dire. Et c'est des cas particuliers qu'il faut traiter comme tels. Et non, moi je vois au nom, et non de, euh, de, de, généraliser. Et peut-être qu'il y a des militants de premier plan de, ce parti-là qui, étaient, qui sont de cœur avec euh, les citoyens qui sont contre la casse, qui sont contre ce qui s'est passé, qui sont contre la dégradation des biens et peut-être qui n'ont même pas manifesté, qui n'ont même pas participé à la marche. Ça, il faut l'isoler aussi. Maintenant, que le parti puisse se défendre, c'est de bonne guerre, puisque officiellement, ils n'ont pas donné un mot d'ordre. Mais on sait qu'à partir de ce qu'il a dit, il y a des personnes qui ont des, euh, de, colorations bien précises et qui à travers leur euh, blog, leur page Facebook, ont donné des consignes, ont appelé leurs camarades à sortir. Ça, c'est à prendre en charge euh, à part et non au nom, euh, du, parti, au nom du parti politique. Maintenant, la question qui se pose, c'est rapidement, c'est que on a des précédents dans ces pays qui font que chaque jour, il y a des actes non punis qui permettent ou qui encouragent. Et c'est pour cela, moi, en tant que... Oui, ben, on se rappelle de, de, de, de, certaines manifestations. On se rappelle de la manifestation euh, anti-Charlie et des dégâts qui ça a occasionné avec perte en vie humaine. Mm. Ça, c'est inadmissible dans un pays comme le nôtre où euh, même ceux qu'on a prétendu châtier vivaient en symbiose chez nous. Et c'est parce qu'il y a des lacunes du point de vue sécuritaire, c'est parce qu'il y a des lacunes du point de vue euh, peut-être judiciaire, qu'on constate qu'à chaque fois qu'on essaye de faire une manifestation la plus simple, elle se transforme en humette. C'est un problème euh, euh, très sérieux à prendre en charge. Bien, et Suleiman Mamadou, quelle ben- appréciation faites-vous de, de ce qu'avance le ministre de l'Intérieur Je dois dire que le ministre de l'Intérieur, il est quand même le patron de la police. Et le premier flic, comme on dit, entre guillemets, donc, euh, et quand on voit véritablement de la manière qu'il a exposé, qu'il est en train donc d'observer, c'est-à-dire que lui, il a mis tous les moyens scientifiques pour suivre la situation. Il a d'abord dit au niveau donc de la toile ce qui s'est passé. Ça, c'est des faits, hein, c'est pas de l'imagination. Deuxième chose, maintenant, il a, il a, la police à sa disposition. Donc, je considère que soit et il a dit ce qu'il a dit, euh, comme un homme politique, ou bien il a dit en tant que ministre sur la base des rapports de la police. Parce que n'oublions pas que c'est avant la manifestation, il y a eu plusieurs réunions. Tout à l'heure, Dandoua disait qu'effectivement, la police, elle est là effectivement pour avoir des, des, renseignements, des informations sur ce qui se passe. Il se peut que justement, euh, le ministre de l'Intérieur a justement des, informations euh, précises donc, sur, sur lesquelles il se base en tout cas pour affirmer ce qu'il a affirmé. Mais pour le moment, en tant qu'observateur, nous pouvons dire que véritablement, il faut donc prendre ça un peu sur des pincettes parce que euh, reste vraiment à vérifier. S'il a dit sur la base des rapports de la police, en tout cas, qui a, vraiment identifié des, militants de ce parti, ou bien ce qui a été dit au niveau donc la société civile, et ça, je pense que c'est un débat. Et comme l'a dit justement Jaff, euh, ce que la, la, réaction justement de l'Oman, elle est tout à fait une réaction de, la, défense. Ils sont, ils, sont, ils sont accusés et que véritablement, il faut le dire quand même, euh, la situation est assez grave. Euh, le, les gens qui sont en tout cas aujourd'hui pris dans cette situation-là, je dis que, et quand le ministre dit qu'il serait impitoyable face à ces gens, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Voilà pourquoi le monde effectivement doit se protéger, protéger ses militants. Raphaël Dandoua, euh, rapidement un mot sur cet aspect. Moi, je, pense que, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas après coup qu'on doit réagir. Lorsqu'on avait eh, intercepté ce genre d'audio, puisque c'est sûrement que de cela qu'il s'agit, c'est en, ce, sens qu'il fallait réagir, mais pas après coup pour diaboliser X ou Y. Je pense que toute, toute cette, euh, cette sortie rentre dans euh, euh, le cadre de la stigmatisation de, du parti de l'opposition, le parti le puisqu'il a été cité nommément. Je pense que tant qu'on n'a pas de preuves concrètes, on ne devrait pas le dire. Comme l'a dit El Haj Mahmoud doit prendre les choses eh, avec euh, beaucoup de beaucoup beaucoup de pincettes Autre chose, je pense aussi quelque part qu'il y a une sorte de paranoïa quand on dit que eh, les gens veulent aller brûler l'Assemblée nationale. Je pense que c'est aller trop vite en besoin. C'est vrai qu'il y a eu eh, c'est vrai, fois, à la manif. On peut le dire, c'est vrai qu'il y a eu euh, le cas au, Burkina Faso. Moi, je ne vois pas d'ailleurs d'ailleurs moi je ne crois même pas en la capacité des manifestants nigériens à pouvoir faire ce genre de choses et, on n'a pas, et, on n'a pas la capacité à faire des luttes et comme le peuple burkinabé, on n'est pas, on n'a pas une conscience qui nous permet de nous élever contre l'autorité publique. on n'est pas dans le même contexte. Aujourd'hui, tout le monde, et cette loi des finances tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Toi, tu as quelque chose à dire, moi, j'ai quelque chose à dire, mais ce n'est pas pour autant que quand je sors, je vais aller brûler On n'a pas eh, cette, culture d'aller tuer son prochain, d'aller brûler quelqu'un. Ça se voit des, des, cas sporadiques quelque part, mais pas jusqu'à aller brûler une assemblée nationale et 171 personnes députés et au-delà, les, ceux qui travaillent là-dedans. Bien, toujours euh, autre conséquence de cette manifestation, justement les acteurs, euh, les, principaux organisateurs, notamment Abbas, on l'a vu, Abbas Ablaziz, et ainsi que deux autres de ses camarades ont été interpellés après quatre jours passés euh, en garde à vue. Ils se sont présentés cet après-midi même euh, au niveau du tribunal de grande instance et nous apprenons que Abbas et ses camarades euh, qui ont comparé ont été déférés donc à la prison civile de, de à quelques 25 km de Niamey. Ils sont poursuivis pour participation à une, à une manifestation interdite, attroupement armé, vol et complicité. Jafar euh, Moman, euh, euh, qu'est-ce que cela veut dire mon analyse me fait comprendre que cela veut dire au parti du Mana que si demain on vous donne l'autorisation de faire un meeting et que ça dégénère, on va dissoudre le parti. Moi, je pense que c'est un avertissement qu'ils ont eu, puisque Actis aujourd'hui est dissous, ses responsables sont arrêtés. Ça que demain, si le MANA qui a été accusé par le ministre nommément, demain, si on vous donne cette euh, autorisation et que vous dérapez, on, arrête vos leaders et on dissout votre parti. Jafar Maman, une décision pour, euh, les, pour des prochaines euh, manifestations, que ce soit à côté parti politique ou société. je pense que. dissiation, oui. Mais c'est un peu plus euh, grave que ça, puisque vu le dégât, euh, les autorités essayeront de porter ça sur euh, un certain nombre de responsables, en plus de ceux qui, certainement, pendant la manifestation, ont été pris. Donc, c'est dire que si c'est une persuasion, c'est encore simple pour ces acteurs-là. Puisque là, le dégât qui a été fait, qu'on a chiffré à plusieurs milliards, avec des coûts, 10 milliards, à plusieurs, Oui, à plusieurs coups et blessures, blessures sur des agents en, mission commandée, comme on dit dans les termes, dans les jargons de, de, défense et de sécurité, ça veut dire que c'est compliqué pour, euh, pour ces acteurs-là. Mais il fallait faire la part des choses. C'est pour cela que je vous ai dit que pour euh, situer les responsabilités et châtier, il faut aussi essayer de situer véritablement les responsabilités. Quelle est la part de, de, responsabilité de ces acteurs-là euh, quoi qu'il en soit, ils sont, quoi qu'il en soit, ils sont présumés euh, responsables de ce qui s'est arrivé parce qu'ils ont pris l'engagement d'organiser une manifestation et de se ah, porter pacifique et de se porter. Et on l'a vu qu'ils ont été eux-mêmes pris en otage. Justement, et c'est à euh, partir de là, justement, et c'est à partir de là, j'ai dit, il faut situer véritablement les responsabilités. Et l'enquête, pour l'instant, ils ont été mis, moi je trouve ça comme une sorte de plainte contre X, puisque c'est maintenant la procédure traditionnelle de la justice d'aller fouiller qui sont véritablement les responsables de, de, la nouvelle option trouvée sur le terrain. Mhm. Puisque eux-mêmes, on constate qu'ils n'ont pas échappé à ceux qui ont voulu une autre, euh, un autre style de, de, manifestation. Ça veut dire que tous ces aspects-là doivent être pris en compte et c'est pour cela, euh, véritablement, il faut que euh, ce dossier-là soit pris avec assez de responsabilité et que pour situer leurs responsabilités, puisqu'il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup de pédagogie à tirer de ce qui, ce qui est en train de se dérouler. Alors, on a vu aussi que Actis, l'association organisatrice de, ce meeting, a été interdite donc euh, d'exercice définitivement sur le territoire national. Euh, Mamadou, euh, un mot je, euh, Je dois avouer, en tant que citoyen nigérien, je pense que Jafar Ali, en début, il faut véritablement faire comprendre aux gens que nous sommes dans une société organisée. Nous avons absolument, euh, nous sommes dans un État où véritablement il faut châtier de façon exemplaire. Je ne pense pas qu'il se trouve parce que véritablement ils l'ont fait ils l'ont fait, ils ont appelé les gens à manifester. Et je vous dis, le débat a été suivi. Lorsque j'ai vu ces gens-là ont écrit au, euh, on au délégué spécial, que eux, ils, vont maintenir leur, euh, itinéraire avant qu'ils ne se ravisent franchement, euh, je veux que véritablement, ils ont aussi. Bref, euh, moi, je pense que euh, ils ont, les actes qui ont été posés sont tellement graves que véritablement, il faudrait que demain, que quels que soient ceux qui vont manifester, qu'ils sachent que l'État a des lois. Nous sommes dans un état de droit. L'anarchie ne peut pas, en tout cas, commander nos actions. Moi, je sais qu'en tant que républicain, vous ne pouvez pas engager un mouvement, en tout cas une aide pacifique, un mouvement pacifique, et que dès le début, vous faites des casses vraiment. Mais quelles casses, justement Bien. Nous passons à, à, la deuxième thématique euh, de ce forum, euh, notamment le remaniement ministériel euh, on sait que euh, dans ce nouveau remaniement qui a eu lieu le, le, lundi 30 octobre, euh, Kafa Rekiatou Christelle Jacou quitte le ministère de la Population pour occuper celui de la fonction publique et de la réforme administrative. Elle est remplacée au ministère de la Population par Amadou Aissata, précédemment ministre de la fonction publique de la réforme administrative. Donc, une permutation entre ces deux dames. Abdou Maman est remplacé par Malam Zanaïdou Amin au ministère de l'Industrie. Youssoufou Katambe, qui est président par ailleurs, président du comité d'organisation Tawasakola, devient ministre de l'hydraulique et de l'assainissement et Karijo Mamadou, député et président de la Haute Cour de justice, est nommé ministre des Transports en remplacement d'Omar Hamidou Tchana. Alors, euh, Rufai Dandoua, quelle appréciation faites-vous de ce remaniement qui n'a pas, en tout cas, diminué la, taille du gouvernement euh, Oui, j'aurais bien voulu que euh, par le semblant de démission de, euh, de la Tana que le président profite de l'occasion pour euh, remanier en profondeur son gouvernement, comme ça a été le cri de cœur de beaucoup de Nigériens, y compris au sein de la majorité. Ça n'a pas été le cas et on voit que ça a été presque un jeu de chaises musicales, comme on dit. CAFA qui quitte euh, pour aller euh, dans, tel ministère, l'autre qui vient dans tel autre ministère. Je pense que c'est, sincèrement, ce n'est pas ce que les Nigériens attendent. Ils ont attendu beaucoup parce que eh, l'ADAN a donné la, eh, mèche. Mais, eh, ça n'a pas été le cas. Et les 43 ministres restent toujours. Et je ne sais pas si on va revenir sur l'histoire de, de, de la dame qui a défrayé. On va, on va revenir un peu en détail. Qui a défrayé la chronique. Mais je pense, euh, si on revient sur euh, la nomination de Carijo, qui est le président de la Haute Cour de justice, et, euh, on a parlé avec beaucoup de gens, beaucoup de, de même des juristes. Euh, l'article. Là également, nous allons revenir à, sur ce point qui, euh, qui euh, on, l'a vu, il y a un certain nombre de, de griefs qui sont portés à cette nomination. nous allons voir avec Jafar Maman euh, une appréciation générale, euh, peut-être. Euh, bon, une appréciation générale, moi je constate que le, le classique du PNDS sont, ont fait leur retour en, force. Peut-être on voit Katambe qui est revenu. <clears throat> on connaît qui est Katambe au PNDS. On voit Karijo qui est revenu au gouvernement. Donc on sent que le PNDS est en train peut-être de reprendre sa position initiale du premier mandat quand on voit les anciens qui reviennent dans le gouvernement. La seconde appréciation, c'est <coughs> qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de cipitations qui ont euh, émaillé euh, la vie euh, gouvernementale, si je peux me permettre cette expression, avant ce, ce remaniement-là. On connaît le dossier Suède euh, ou qui a fait beaucoup tempêter le cas de, la population. Euh, voilà. et, quand, quand, on voit comment, peut-être c'est un dossier qui mérite même plus qu'on pose un débat d'une euh, pour voir comment l'État est, traîné autour de questions de, de, petits intérêts et où la position familiale peut, peut bousculer le gouvernement. Je pense qu'il y a des questions plus importantes. Et dans le contexte actuel, je pense que ce, euh, euh, ce, remaniement-là, je pense qu'on a raté un coche peut-être que le je ne sais pas si je puisque je ne suis pas dans le secret du, président de la République, il est en train peut-être de rebondir pour donner une réponse à, plus sociale à, ceux qui euh, sont en train de lutter contre certaines augmentations de, charges fiscales. Mais moi, je trouvais, comme Rufail l'a dit, l'occasion de, de, de, régler beaucoup de choses et peut-être d'avoir euh, un l'assentiment de la population autour de soi mais euh, ce remaniement-là n'a n'a rien apporté de vraiment. Bien. Euh, nous arrivons donc justement au cas de Karijo Mamadou qui a euh, Rufai voulait soulever pour son cas en tant que président de la Haute Cour de justice en le nommant à un poste ministériel. La loi fondamentale a été violée, semble-t-il. Je vous propose de suivre l'éclairage du constitutionnaliste Docteur Amadou Boubacar Hassan. L'article 143 de la loi fondamentale dit que les membres de la Haute Cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature, ce qui a été repris d'ailleurs par l'article 5 de la loi 2011-41 du 14 décembre euh, fixant les règles de fonctionnement et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice, dont l'article 7 est très clair qui a prévu seulement deux situations dans lesquelles un membre peut être amené à remplacer le cas de décès, de démission et d'incapacité d'un membre justement à exercer ces fonctions-là. Donc en l'espèce, je pense qu'il n'y a pas une démission formelle de la part de M. Karidjo Mahamadou en tant que président de la Haute Cour de justice et membre de la Haute Cour de justice. Donc, en le nommant à un poste de membre du gouvernement, justement, cela traduit ni plus ni moins une violation des dispositions de l'article 143 de la Constitution et de l'article 5 de la loi fixant euh, les règles de fonctionnement et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice. Alors, Eladji Suleiman Mahmoud du journal en ligne Niger Inter, quel est le message que vous, vous lisez euh, dans les lignes de cette nomination qui fait un euh, euh, à la loi il a dit le juriste véritablement c'était la première inquiétude des citoyens quand on sait qu'il n'y a pas longtemps cette question a fait l'objet lorsque l'opposition a voulu euh, justement occuper un poste au, au niveau donc de la haute cour de justice euh, me conviennent. Nous avons appris que effectivement il a démissionné. Ils ont tenu compte de cet aspect. Il a fait, une, il, a, bel et bien démissionné. Mais moi, ce qui m'intéresse, mais bien sûr, avant, quand même, même si, même si quand même, euh, ils ont, ils ont, fait ça quand même, quand même euh, ils sont conscients de la. De, poser la question. Effectivement, la, la, question est importante de savoir euh, cette et, Et, de la réalité. Moi, le plus, moi ce qui m'intéresse, c'est que je l'ai, je l'ai vraiment écrit. Franchement, c'était un ratage parce que le retour, par exemple, de Carijo, parce que quand même son passage au gouvernement n'était pas glorieux. Tout le monde le De la Défense. Absolument, c'était pas glorieux. Par conséquent, ce n'est pas une valeur ajoutée parce qu'en termes d'image, en termes de la gouvernance, c'était n'était pas du tout une bonne chose. Mais bon, euh, eux, ils ont d'autres raisons que nous, les citoyens, nous, nous, ignorons. Mais quand même aussi, quand je regarde les, ceux qui sont venus, euh, on aurait en tout cas voulu qu'il y ait des de, de, jeunes, en tout cas, qui vont euh, insuffler une certaine dynamique, en tout cas, à la, gouvernance. Mais ce n'est pas le cas. Donc, franchement, je pense que, de mon point de vue, euh, on aurait pu en tout cas s'attendre. Parce que le cas de, de, Tchana qui, a, qui aurait en tout cas, donc euh, en, réalité, la, vérité selon nos informations, Tchana a été chassé. Euh, il a vraiment été chassé. Oh je le dis parce que vraiment, on a des sources, en tout cas, il a été chassé. Je te dis, nous sommes d'abord sur, le cas de Carino. Le dimanche. Remercier, bon, il a été chassé, c'est le mot. il a été Voilà. D'abord sur Carino, nous allons revenir, euh, Suleiman, sur le cas de Tchana. Euh, rapidement, euh, qu'est-ce qui peut motiver le retour de Carillo selon vous Le retour peut-être de Kassik, comme l'a dit euh, Jafar, et si, on s'en tient au propos de El je pense que ce n'était pas la, bonne solution à ramenant Carijo vu son passif au, sein du, gouvernement. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette disposition de, de l'article 143 et alinéa 5 de la Constitution qui aurait été violée, puisque normalement, on aurait dû dire aux Nigériens qu'avant, peut-être la veille, que Carujo avait démissionné. Là, ça ne porterait aucun euh, équivoque, voilà, mais en, le disant, parce que maintenant, euh, les gens ont commencé à parler, on se demande où sont tous les juristes qui entourent le gouvernement et la présidence de la République, on se demande s'ils servent à quelque chose. Bien, parlons du cas de la Chana, justement. Euh, d'aucuns disent qu'il euh, était sur le point de partir, il a été chassé. D'aucuns parlent de, euh, d'aucuns disent qu'il a été chassé et que ce dernier a tweeté pour dire qu'il a démissionné. Le soir même, le remaniement intervient qui, qui prend athée, qui le remplace ça prouve que euh, quelque part qu'il n'a pas démissionné, que puisque déjà ça a été prévu et le, le, remaniement technique, puisque aussitôt qu'il annonce sur son, sa page Twitter qu'il démissionne, après il y a eu un remaniement technique, mais qu'importe pour moi, je l'avais dit, c'est un non-événement dans tous les cas, quelle est la valeur ajoutée que l'Adam et au-delà de lui son parti amènent amène à, la majorité, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il a fait de, glorieux au sein du gouvernement On ne voit pas. en dehors de son arrogance qu'il a fait pousser pour gifler euh, une policière, vous vous rappelez dès cet instant, il aurait pu être limogé si c'était sérieux, mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on peut dire que, comme disent les Hausa, Allah Yakamashi. Vous voyez, non Moi, je pense que qu'il soit là ou pas, ça a été pour moi un non-événement. Alors, un certain nombre de raisons ont été euh, évoquées. Euh, certains évoquent le blocage de plusieurs dossiers dont il serait responsable. Lui, dans son, allocution euh, qu'il a prononcée donc, lors de la passation, il a évoqué surtout le point, la question de la loi des finances qui est contraire à ses convictions libérales et principes humanistes. Et d'aucuns voient aussi un lien de cette affaire de la compagnie de transport qui a fait un accident et qui a écopé euh, d'une interdiction euh, euh, d'exercice de, de, pour quelques jours juste après le remaniement. Il a, été, il de ne pas rentrer dans, la polémique. mais pour moi, eh, il parle de conviction et de principe. Pour moi, il n'en a pas. Tu ne crois pas Non, je ne crois pas. Jafar Maman il a, il a, donné une version euh, qui n'a pas été démentie ou confirmée par le régime. Bon, euh, il a donné ses arguments. Mais euh, on sait que depuis un certain temps, il y a beaucoup de remous euh, on s'attendait même qu'il allait euh, quitter avant cette date-là. Donc c'était prévisible. Donc c'était prévisible. Mais l'aspect euh, que j'aimerais très vite en quelques secondes euh, un peu apprécier sur le cas de Carijo. Lorsqu'on parle de... J'aime ces genre de débat puisqu'il nous ramène à, à l'école du droit. Lorsqu'on dit démission, le constitutionnaliste l'a évoqué, démission formelle devant qui il est député il, il, il, devant qui il doit, euh, doit qu'est-ce qu'on appelle démission formelle justement sa démission peut-être il peut la déposer au bureau de l'Assemblée nationale puisqu'il est président de la cour euh, de la haute cour de justice, en tant que oh, député en tant que député ça veut dire que s'il doit euh, présenter sa démission c'est au, niveau de, Elle doit être officielle. Euh, officielle écrite. Maintenant, est-ce que les dispositions constitutionnelles disent que le président de la Haute Cour de justice présente sa démission officiellement c'est des questions auxquelles les juristes, nous laissons le soin aux juristes de répondre euh, euh, rapidement pour finir. Donc, sur, sur, en tout cas, nous avons, nous avons fait un article où nous avons affirmé sans aucune ambiguïté Tchana a été limogé du gouvernement et quand il a été notifié par le Premier ministre d'amener un cadre de son gouvernement, lui, il doit partir. C'est à ce Cela veut dire que véritablement, elle a fait un acte populiste, c'est-à-dire que pour ne pas, comme on dit, il faut savoir quitter les, choses avant qu'elle ne vous quitte. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et au lieu d'amener un cadre de son parti, ben, il a un peu avancé les choses et on a vu fallait au niveau du gouvernement faire vite. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé. Fin du forum de la presse de ce soir. Nous étions avec Jafar Maman euh, du journal L'Indépendant Plus, et Suleiman du journal en ligne Niger Inter et Rufa Idandoua. Euh, merci à vous de nous avoir suivis durant ces 40 5 minutes. Ne manquez surtout pas le rendez-vous des forums en langue nationale ce week-end, demain samedi, avec euh, Maman Ada en Hausa et pour le forum euh, en Zarma dimanche à la même heure avec Balkis Hamidou. Bonsoir.